Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, à votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les faits ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le décès du sultan de Dosso, l'honorable Maidanda Seydou Jean le lundi 31 octobre, dans sa centième année. Nous parlerons ensuite des préparatifs de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 prévue se tenir du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. Enfin, nous terminerons ce forum de la presse avec la qualification du MENA Espoir au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Pour analyser ces différentes actualités, nous recevons ce soir nos confrères Alaji Mohamedou Souleyman, journaliste euh, au journal Niger Inter, Abkiari Arimi, journaliste euh, à la radio alternative, et Ousmane Sidikou, journaliste euh, indépendant à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Dégis. Commençons par euh, le premier sujet. Le sultan de Dosso, Maïdanda Seydou Jean Mokoyi, s'est lundi 31 octobre euh, dans sa centième année. Né en octobre 1940, 23, Jérôme Danda accéda au trône comme chef de province en octobre 2000, avant que celle-ci ne soit érigée en sultanat. Premier pharmacien du Niger, il s'est investi à la création de l'Office des produits pharmaceutiques du Niger et des pharmacies populaires. Depuis 2015, il assurait la fonction de président de l'association des chefs euh, traditionnels euh, du Niger. Que faut-il savoir euh, davantage sur le défunt Jermoukoué Maïdanda de Mohamedou Suleiman euh, Merci bien. Tu permets d'abord de prier pour sa mémoire, pour le repos de son âme. En mhm. tout cas, que Dieu lui fasse miséricorde euh, ceux qui connaissent euh, euh, le défunt, en tout cas, parlent d'un homme extrêmement cultivé, sage. Tu as parlé tout à l'heure de son apport dans la des de, Donc, en plus de sa carrière donc, professionnelle, il est allé donc, assurer la fonction donc, de sultan euh, donc euh, à Dosso, euh, je pense aussi vivre 100 ans n'est pas donné à n'importe qui. c'est une grâce divine qu'il a eue. Donc je pense c'est une vie très très riche. Mhm. et passer 100 ans dans le respect des normes établies, sans histoire, comme dirait l'autre, je pense que c'est à consolider. Euh, la postérité doit s'inspirer justement donc, euh, de ces bonnes pratiques. Euh, donc, pour davantage consolider les, acquis de la, du sultanat de Dosso. Mmh. je pense qu'il faut mettre en avant l'intérêt général. Euh, quelques semaines avant ce qu'on voit dans la presse, je pense que la mort, c'est un moment pour faire le bilan, mhm. euh, pour réfléchir euh, en tout cas, surtout s'inspirer, creuser pourquoi en fait sur les dévanciers, pourquoi avec eux ça a marché, il y a eu la stabilité, ils ont accompagné donc différents régimes, tout s'est bien passé. C'est parce qu'effectivement il y a des qualités il y a donc euh, de bonnes pratiques qu'il faut mhm. donc euh, implémenter. Donc de mon point de vue, euh, c'est arrivé, on ne peut que prier sur ce en tout cas qu'Allah le fasse miséricorde et que justement le dossier au moment opportun puisse vraiment choisir quelqu'un qui puisse perpétuer justement les valeurs de, cette, de, ce sultanat. Mhm. Merci beaucoup. Arimi Abakiari, l'écrivain malien disait en Afrique, un vieil meurt, c'est une bibliothèque qui brûle quel est aujourd'hui l'héritage que Feu Seydou Jean Mokoy Maïdanda nous laisse et qui mérite d'être euh, préservé. Oui, bien sûr, sincèrement, bon, on ne peut pas d'abord ne pas présenter vraiment euh, nos condoléances à mm. sa famille, à la famille des chefs traditionnels, parce que c'est quand même le, le président de l'association qui est décédé. Et moi, ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas, euh, j'aurais pu mais je ne l'ai vraiment pas croisé euh, mm-hmm. dans la vie de tous les jours. Mais on le présente toujours comme euh, quelqu'un de simple. Mm-hmm. Mais euh, c'est justement une bibliothèque qui s'en va. 100 ans, ce n'est pas donné, mm-hmm. sincèrement. Il a été quand même le premier pharmacien du, Niger, n'est-ce pas Et puis le premier sultan de Dosso. mais sans tambour ni trompette, aussi chef qu'il soit. Euh, c'est pas vraiment, il n'a pas beaucoup défrayé la mm. chronique. Euh, il est passé vraiment si doucement, malgré 100 ans passés. On ne l'a pas entendu comme certains qui font à la tête des choses, pas que la chefferie, mais mm. qui passent quand même 5 ans et tout le monde les connaît. Euh, souvent, il n'y a pas d'acte posé. On le présente aussi comme quelqu'un qui réunit, n'est-ce pas, un fédérateur. Euh, euh, je crois que euh, c'est des exemples, n'est-ce pas J'espère qu'il y aura des biographes qui vont s'en occuper mm. et beaucoup vraiment doivent s'en inspirer mm. des personnes qui ont traversé le temps. il a travaillé sous tous les présidents qui ont traversé, qui ont, que ce pays-là a connu. Moi, c'est l'image que mm. j'ai j'aime des Nigériens, sincèrement. Euh, la simplicité, euh, vraiment le fait de passer euh, dans la discrétion le mm. plus vraiment calmement possible, mais après avoir posé beaucoup d'actes positifs, mm. moi c'est ce que je sais pas, c'est pas ce que je fais mm. peut-être, mais vraiment c'est ce que je veux du Nigérien, petit ou grand. Euh, je crois que c'est une inspiration, c'est vraiment un exemple dont on doit euh, s'en inspirer. Ce pays a besoin vraiment de travail, euh, plus de travail que de bruit. Et je crois que c'est ce qu'il a pu faire. En tout cas, il est venu et on n'a rien entendu pratiquement depuis 2000, il était sultan. En mhm. fait, il était chef de province, puis sultan depuis 2000. Parce qu'en 2010, on a érigé, la province en sultanat. en mhm. sultanat. Mais il est chef de, comment, président de l'association des chefs traditionnels, mhm. n'est-ce pas euh, Combien l'ont vu même se prononcer à la télévision ou quelque chose comme ça Non, c'est la discrétion. Une euh, humilité, humilité mhm. extérieure mhm. d'ailleurs, en plus quoi. On, vraiment le plus simplement possible. On ne dirait pas de quelqu'un euh, qui a joué vraiment des rôles extrêmement important, mhm. l'un des tout premiers fonctionnaires mhm. du nouveau Ancien député euh, en 1989. Voyez-vous, mhm. mais on ne le, on le, sent pas passer. Ça, c'est très bien, à, à, mon avis. Mais vraiment, posons des actes et faisons moins de bruit. Merci beaucoup. Ousmane Sidoukou, on sait que de par le passé jusqu'à présent, euh, on le sait bien, la chefferie traditionnelle joue un rôle euh, important dans la consolidation de la paix, la promotion de la quiétude sociale et même le développement socio et culturel euh, du pays aujourd'hui. Est-ce que la chefferie continue à jouer son rôle euh, D'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, euh, ces chefs traditionnels sont dépositaires de plusieurs valeurs, même mhm. si, à l'épreuve des faits, et nous constatons, de par euh, des élections qui sont organisées dans ce sens, euh, quelques, euh, quelques échauffourées. Mais je ne peux que joindre ma voix à celle vraiment des prédécesseurs qui n'ont pas de loge à l'endroit de l'illustre disparu. Pour l'avoir côtoyé il y a pratiquement deux ans de cela dans son palais, nous mhm. avions pratiquement deux heures de loge à échanger. Et je vous assure, Michel, que c'est vrai, il échange beaucoup. J'ai eu à le rencontrer également dans son palais royal à Dosson. En échangeant mhm. euh, avec euh, ce monsieur, vous sentez mhm. que, euh, à l'instant, vous l'avez dit, en rappelant ce que Seydou Badia dit, que c'est toute une bibliothèque. Moi, je dirais, s'il y a d'autres qualificatifs ou mhm. superlatifs, ce ne serait pas de trop. C'est dire que ce monsieur, a eu souvenance, hein. il y a pratiquement moins d'un mois, euh, les différentes apparitions en ont fait leur chou gras parce qu'il a eu à faire des restructurations au niveau même de, la province qui n'a pas été du goût de plusieurs de ses administrés. Ça démontre à quel point euh, ce illustre disparu a de la vision et qu'il est pragmatique. Là, je l'ai si bien dit, on ne peut qu'espérer que euh, vraiment son prédécesseur, en tout cas que la génération mhm. euh, future euh, puisse s'inspirer de ce leadership avéré euh, de ce grand homme. Aujourd'hui, c'est une fierté pas seulement pour le Niger, il a été vraiment à l'avant-garde. Il a servi dans plusieurs pays, c'est pas pour jusqu'à mhm. pas moins de 10 ans, il était le président du conseil d'administration de l'ONPPC. Mhm. C'est dire que ce homme, honnêtement parlant, c'est une perte au-delà du Niger, je dirais, c'est une perte pour l'Afrique. Euh, donc, euh, on ne peut qu'espérer. Et malgré ce que les uns et les autres peuvent dire par rapport à cette chefferie, moi, je reste convaincu que ces leaders coutumiers sont dépositaires de plusieurs de nos valeurs. Donc, occasion vraiment, aussi bien pour les populations que les autorités, vraiment de les consulter, de les mhm. approcher, ne serait-ce que dans le cadre de la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et bien d'autres. Hmm. Euh, donc, euh, je me raterai ici tout en présentant vraiment mes condoléances les plus attristées euh, à sa famille, à l'association, à la région du Dosso, au Niger, et je le dis euh, à mhm. l'Afrique tout entière. Mhm. que C'est une grande perte pour toute l'Afrique. Il faut rappeler justement qu'il était parmi les 198 intellectuels qui s'étaient rendus donc en Guinée euh, justement pour, euh, aider, ce pays à se développer. Et lui, il est revenu donc au Belkaï et il a par la suite succédé à son cousin Issouf Seydou Jarmakoué, au niveau de la chefferie donc, de Dosso. Il faut rappeler donc qu'il a été inhumé jeudi 3 novembre 2022 dans sa cour euh, royale euh, au niveau donc euh, de la région de Dosso. Nous souhaitons que son âme repose en paix et qu'Allah lui accorde le paradis éternel. Amen. Passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir, les travaux de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 se dérouleront cette euh, année dans la ville de Sharm el-Sheikh euh, en Égypte euh, du 7 au 18 novembre 2022. Cette COP ou Conférence of the Parties est un sommet annuel sur le climat organisé par l'organe onusien sur le climat dénommé Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle a lieu la 27e fois, d'où l'appellation COP 27 en prélude justement à cette COP27. Vendredi à Niamey, une conférence des jeunes sur le climat a eu lieu. Les échanges ont porté sur les enjeux de cette conférence des partis pour le Niger. Plus de détails avec Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement un des organisateurs de cette conférence qui a eu lieu à Niamey. Plusieurs jeunes ont été sponsorisés par des institutions et vont renforcer la délégation nigérienne de la COP pour porter les messages de notre jeunesse, porter les évidences. Parce que vous savez, au Niger, nous souffrons trop des inondations, de l'impact des sécheresses. Donc c'est pour porter ces messages et puis porter aussi les bonnes pratiques qui sont développées par nos communautés pour rester plus résilientes face aux crises de catastrophes que je viens de citer et continuer dans les plaidoyers pour que eh, la COP qui va s'ouvrir dans les jours à venir soit une COP africaine, une COP qui répondra en tout cas aux attentes des communautés. Parce que la lutte contre les changements climatiques, c'est une question d'urgence, c'est une question de survie. Donc il est important que les actions climatiques soient vraiment au cœur des décisions qui seront prises euh, durant ces négociations. C'est vraiment de faire du plaidoyer de l'influence, surtout de contribuer dans la proposition des solutions. C'est ainsi que nous pouvons revenir avec des partenaires ou des projets de financement que nous pouvons mettre en œuvre. Sania Yuba, directeur exécutif euh, de Jeunes Volontaires pour euh, l'Environnement, des propos recueillis par Railatou Soumana. Et là, j'ai Mohamedou Suleiman, quels sont les enjeux de cette euh, COP, la conférence des Nations Unies sur le climat, COP 27, qui s'ouvre en début de semaine après la COP 26 qui a eu lieu au Royaume-Uni. On se rappelle, c'était en novembre 2021, puisqu'en 2020, il n'y a pas eu de COP euh, à cause de la pandémie de Covid-19. Quels sont donc les enjeux de cette importante euh, rencontre euh, mondiale sur le climat je pense que les, enjeux sont connus déjà à travers les différentes rencontres où, en réalité, j'ai comme l'impression, dans le débat sur la gestion du climat au niveau mondial, euh, les diagnostics sont faits. Euh, on sait ce qu'il faut pour vraiment passer à des actions concrètes. Euh, aujourd'hui, est-ce que les grands pollueurs sont prêts à mettre la main dans la poche C'est ça le, vrai enjeu. En tout cas, au mhm. niveau africain, on, est, on, est, conscient que nous, on n'est pas, en tout cas, notre action sur le climat, en tout cas sur le changement climatique, elle est minime. Contrairement aux euh, pays. maintenant, ceux qui sont euh, responsables, mhm. effectivement, euh, veulent jouer, jouer, un peu au dilatoire. on entretient un débat tout le temps de rencontres et de rencontres alors et les questions. Et je pense que nos dirigeants, en tout cas, ne ratent pas l'occasion pour le dire à toutes les occasions, voilà, en fait, il faut donc mobiliser les moyens mhm. et que ce soit dans le climat, que ce soit dans de la sécurité, on se rend compte que souvent, euh, lorsque ça concerne vraiment les plus pauvres, en tout cas, ça concerne euh, <laughs> le tiers-monde, franchement, les gens hésitent. En tout cas, on a vu la guerre en, Ukraine, euh, la mobilisation des gens mhm. dans cette situation. contre, la situation sécuritaire au Sahel, mhm. vous voyez, c'est quand même l'écart est abyssal en termes de, de mobilisation. De la même façon, je pense que moi, je suis en train de dire que non pas qu'il y ait un sommet euh, une conférence de trop. Euh, on cest à connaît, les, gens, les techniciens, en tout cas les experts et même les politiques ont fait les évaluations. On, a dit vraiment, voilà, on attend en tout cas les moyens. Donc, est-ce qu'on euh, est prêt vraiment à, décider sortir de la. En tout cas, en termes Parce que pour moi, en tout cas, c'est les actions qui importent. Les actions euh, nous connaissons par exemple quand on prend ici, en tout cas au niveau du Sahel, hmm. le phénomène, en tout cas, c'est une réalité, ce que nous, nous, vivons. Euh, lorsque euh, nous, quand je pense simplement le, côté vraiment production agricole, lorsque ça dépend du, de, la nature, et que souvent, effectivement, la situation est, est, est, hmm. Nous savons par exemple ce que nous voulons des, moyens, en tout cas, pour faire en sorte que qu'on ne dépende pas de, de, euh, la nature. Mm. Donc, on peut, avec les moyens, des actions concrètes, en tout cas, euh, faire face aux, aux, défis mm. euh, climatiques. mais je veux dire tout simplement, il y a vraiment un besoin de d'engagement vraiment concret pour vraiment donner les moyens, en tout cas au niveau mondial en tout cas, si on veut inverser la tendance, ce n'est pas des discours euh, qu'il faut, c'est mm. vraiment des actions concrètes. Et j'ai comme l'impression, euh, chaque fois, en tout cas, on fait ces, rencontres-là de de sommet, euh, je, constate que je ne vois pas en fait des actions concrètes. Mm-hmm. Euh, sortir en tout cas de, de, de, Au Niger, par exemple, on a écouté Sania Yubak, euh, le directeur exécutif de JV, qui parle de d'inondation au niveau des plaidoyers, un pays qui est vraiment négativement impacté par ce phénomène de changement climatique. Oui, oui. Qui dit plaidoyer, vraiment demande en tout cas pour mobiliser mhm. euh, les moyens euh, donc, euh, est-ce que vraiment les moins, suivent C'est ça, en, tout cas, moi, je pense que, euh, en termes d'enjeux, on attend de voir, mais franchement, la, COP 27, c'est-à-dire qu'il y a 27 réunions de ce, de genre. Mhm. Donc, chaque fois, vous voyez, on va continuer à faire des réunions. Non, je pense que ce n'est pas ça la, voie. Mhm. Imaginez les moyens qu'on mobilise pour faire déplacer tout le monde au niveau des Nations Unies ces moyens-là, il faut les utiliser pour. Euh, en tout cas, qu'il y ait moins de Il faut plus d'actions, c'est ce que vous soutenez. C'est vrai, depuis 1995, il y a eu la première COP euh, à Berlin, en Allemagne. Jusque-là, euh, les rencontres se multiplient. Il y a eu justement un accord, c'est l'accord de Paris. Et c'était vraiment un accord qui appelait tous les États à s'engager financièrement pour aider les pays pauvres à pouvoir justement beaucoup plus être euh, dynamique dans cette lutte euh, contre euh, le dérèglement climatique. Aujourd'hui, Arimi Aboukiari, quel doit être le message du Niger à cette rencontre Écoutez, c'est le message du Sahel. Mhm. C'est vraiment le message des pays démunis comme les nôtres. Parce qu'on souffre mhm. plus que ceux qui... On souffre plus que ceux qui sont entre guillemets, euh, je dirais, responsable de mm. ce qui arrive. Parce que oui, il y a le réchauffement euh, climatique, mais vous savez aussi, bon, euh, le changement climatique est aussi cyclique mm. selon des spécialistes. Mais toujours est-il que là, nous vivons vraiment de plein fouet les, effets de ce changement climatique. Mm-hmm. Euh, le Niger a des choses à dire parce que j'ai eu vraiment la chance de participer à des ateliers sur euh, le changement climatique, sur les données que le Niger présente juste à l'occasion de ces rencontres. Euh, c'était à Bangoula, c'était un truc préparé en fait par le ministère de l'Environnement. Mm. Puis euh, le projet euh, qui est logé au niveau de la primature là à Dosso par deux fois. Il y a des choses à proposer et j'ai aussi compris qu'il y a des choses à aller chercher parce que malheureusement nous sommes euh, dans cette position. Ceux qui ont causé le plus de mal, l'Afrique est vraiment nettement derrière en matière de démission de gaz à effet de serre et tout encore le Niger euh, vraiment. Parce que euh, une partie de nos, de, nos animaux cause plus de dommages que vraiment même la population. C'est mm. négligeable ce que nous, nous émettons. Et donc nous sommes en droit d'aller chercher, malheureusement, euh, comme d'habitude, on doit encore tendre la main et remplir des conditions. Moi, je pense qu'on perd beaucoup de temps à, à faire ces choses-là. Il faut être concret. Euh, nous avons par exemple la muraille verte à construire du Sénégal à l'Éthiopie jusqu'à euh, Djibouti. Et, et, bien, les pays de cette zone n'ont qu'à se mettre pour concrétiser ce projet grâce à ces COP-COP qui ne font que se succéder et où on dépense énormément d'argent au lieu de faire quelque chose. Et grâce à ces ateliers, ce que j'ai compris, c'est que Malheureusement, on ne parle de COP21, de réchauffement climatique, concrètement au Niger, dans nos pays en général, qu'à l'occasion de ces COP. Mm. Or, ça doit être une préoccupation de tous les jours. Actuellement, Diva est sous l'eau, par exemple. Mm. Écoute, donc, et en partie, euh, les spécialistes disent que c'est dû au au changement climatique. Mm. N'est-ce pas Donc, on doit vraiment euh, mettre euh, en œuvre vraiment euh, des projets pour expliquer à la population et aussi dire qu'est-ce qu'on doit faire. Quant aux, vraiment, euh, aux responsables vraiment en partie de ces réchauffements-là, il euh, ils font que miroiter les moyens qu'il faut aller chercher pour faire quelque chose en réalité. théoriquement, il y a énormément de moyens à chercher n'est-ce pas Il y en aura à boire et à manger dans notre cadre vraiment pour faire ces travaux euh, de plantation d'arbres, de d'utilisation d'énergie euh, solaire. Mm. Mais en réalité, on ne te donne jamais le moyen d'aller chercher. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher ces moyens-là, tels que nos fonctionnaires, nos financiers ne savent pas le faire. Et donc, ça est là. Non, l'argent est là, les gens ne peuvent pas. C'est pas vrai. Moi, vraiment, je crois qu'il n'y a aucune volonté, n'est-ce pas, chez les grandes puissances de céder à ça. Et d'ailleurs, les, les, Américains, sont, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont revenus dans cette histoire euh, euh, de lutte contre le réchauffement climatique et tout. Leur ancien président, en fait, euh, avant Biden, ne reconnaissait même pas euh, qu'ils sont responsables, qu'ils ont causé des choses à ce niveau-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais on n'est pas concret et le monde n'est pas uni parce qu'il y a une partie qui doit donner et il y a une partie qui doit mettre en œuvre. On pense et nous, on fait du zèle dans ce que nous faisons. Même le peu que nous avons, le charbon même, on ne veut plus utiliser, pensant que alors que nous, ce qu'on fait là, ça ne fait même pas ce que la ville, d'une une seule ville, peut émettre comme vraiment gaz à effet de serre. Mhm. Vraiment, qu'on sache, au moins nous avons de l'eau avec ce réchauffement-là, qu'on sache au moins quoi faire avec l'eau qui, mhm. nous tombe dessus. Oui, c'est vrai, il y a les États puissants qui polluent plus que les États qui ont euh, des petites industries. Donc euh, les effets en ce qui concerne le gaz à effet de serre euh, sont en tout cas moindres par rapport aux autres. Ousmane Sidoukou, quels sont aujourd'hui les actions attendues euh, à travers cette rencontre mondiale sur euh, le climat. Eh, Michel, vous savez, euh, cette histoire de COP-là, jusqu'en arriver à la 27e édition, moi je pense que mm. il ne faut pas rêver grand mm. pour que quand la montagne va accoucher d'une souris, que les gens fassent bah, cette chute, voilà, la civilité. Mm. Parce que c'est dire que Franchement, euh, cette histoire de COP, pour moi, ce n'est que vraiment du dilatoire. Aujourd'hui, les grands de ce monde, il est clair, c'est démontré que dans le cadre de l'émission des gaz à effet de serre, ils sont beaucoup plus pollueurs que nous autres. Donc, comment voudrait-il que, euh, dans le cadre de l'atteinte des objectifs assignés à cette COP, que nous soyons logés à la même enseigne que ça n'a pas de sens. C'est pour ça euh, que de perpétuer cette pratique, mais cette tradition de tenue de conférences là chaque année. Moi, je pense que euh, nos dirigeants se doivent de leur dire euh, certaines vérités, car concrètement parlant, c'est du folklore. C'est du folklore de la mesure où on ne peut pas me, vouloir me faire payer ce que je suis loin, loin, loin, loin, loin de, de, produire comme, comme, comme dégâts. Moi, je pense que euh, la nécessité s'impose, indépendamment de ces répétitions de conférences-là, de créer le cadre pour que chacun, au prorata euh, de son degré de pollution, euh, injecte ce qu'il est amené à injecter. Sinon, à l'allure où vont les choses, honnêtement parlant, ils ne, feront qu'une et le bout du tunnel risquerait de ne pas être bientôt pour nous autres, euh, les, petits pays. Parce qu'il est clair que euh, de loin, de loin, ils sont plus pollueurs que nous. Donc vouloir attendre de nous ou bien que les, les responsabilités soient partagées, moi je pense que c'est vouloir encore une fois de plus amuser la galerie puisqu'elle ne l'est déjà. Et comment arriver à exiger cela C'est là où je dis que le parce que les États africains participent euh, à cette justement, effectivement, et ils auront à prendre la parole. justement, c'est ça. Comment je dis, obtenir euh, ils, doivent mm. taper du poing sur la table. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pollueurs euh, comparés à, ces puissances-là. Mm. Tous ces pays, beaucoup de les pays africains réunis et à défaut de mettre ma main, je mettrai mon petit doigt au feu. tous les pays africains réunis ne pourront jamais égaler une seule puissance euh, dans le ah, cadre d'une de, mhm. une ville parfois. Donc comment vouloir euh, euh, qu'on nous fasse chapeauter autant que ces puissances-là ou bien ces grands pays-là euh, les responsabilités mm. euh, au, même niveau. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que, indépendamment de la tenue de ces différentes conférences-là, le cas doit être créé où nos décideurs doivent vraiment leur dire les vérités, comme dirait l'autre, yeux dans yeux. Mm-hmm. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils continuent à fatiguer les gens ou bien à faire miroiter ceux qui sont loin. C'est là où je dis c'est du dilatoire. Ils ne mm. sont pas prêts vraiment à mettre la main à la poche euh, pour euh, euh, vraiment créer les conditions ou bien mettre les moyens pour la réduction des de, de, de, différentes émissions de gaz à effet mm. de serre. Donc il faudrait que c'est à nos dirigeants de créer le cadre, de savoir taper du poing sur la table pour leur dire bon, vraiment, bas la terre, voyons les perspectives, redistribuons les cadres, puisque de loin vous êtes plus pollueurs que, que nous. Mm-hmm. Je ne dédouane pas nous nous nos, nos pays. Mais comparé à Rimi l'a dit, même à une ville, euh, plusieurs pays africains ne pourront jamais égaler le degré de pollution de, ces puissances. Donc vraiment, le cadre doit être créé indépendamment de la tenue de ces conférences pour que vraiment nos décideurs, nos dirigeants puissent taper du point sur la table et ramener euh, mhm. ces, décideurs, ces grands décideurs-là à revoir leur copie. Terminons le forum de la presse de ce soir avec euh, du sport dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans, le Niger a éliminé samedi au stade euh, de Yamoussoukro la Côte d'Ivoire au deuxième tour. Pour la prochaine étape, euh, l'équipe nationale de football du Niger affrontera celle du Soudan. 14 pays sont encore en lice pour espérer arracher un billet pour la Cannes U23 prévue en juin 2023 au Maroc. Le tournoi servira de qualification pour les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, Arimia Abakiari, Quelles ont été les grandes étapes euh, ayant conduit à cette qualification du MENA Espoir à ce troisième tour euh, des éliminatoires en vue de cette participation tant attendue à la Cannes U23 comme son nom l'indique, hein, on a il y a donc eu euh, deux étapes où on a éliminé la Guinée euh, équatoriale, si je ne m'abuse. Et puis, euh, avant-hier, euh, en fait, il y a deux semaines, il y a une semaine. Il y a une semaine, la Côte d'Ivoire. Bon, comme c'est la Côte d'Ivoire qui recevait, c'est 1-2. Mhm. Ici, c'était 0-0. Mhm. on, a on avait même eu un penalty ici aussi, et puis on mhm. a raté. Ce qui est un exploit parce que, euh, quoi qu'on dise, même dans le football euh, des jeunes, parce que les U23, c'est des équipes espoirs, donc euh, les moins de 23, ans, on, les a éliminés pour nous qualifier. Je crois que c'est un exploit parce qu'ils sont en avance sur nous. ils ont des académies qui datent de plus de 20 ans, qui ont produit des très grands, grands joueurs, mhm. dont Yaya Touré, n'est-ce pas, Bakari Kone et tout ce qui s'ensuit. Euh, ça veut dire que euh, nous pouvons boxer dans le même euh, ring avec qui on veut. Mhm. Je l'ai toujours dit, le Mali produit de très très bons joueurs, de très belles équipes. Mhm. Aujourd'hui, le Mali, vraiment, moi, il m'épate avec ce qu'ils ont comme jeunes joueurs. Mhm. Le Burkina fait de même. Euh, tous les pays alentour, même la Mauritanie s'y est mis. Mhm. Euh, donc il est vraiment grand temps pour nous de nous qualifier. Il faut féliciter euh, ceux qui ont œuvré, qui, ceux qui ont vraiment à, ce, à cet exploit. Mhm. maintenant, il reste encore à croiser le Soudan. Le mhm. Soudan. en mars prochain. Le Soudan qui est le tombeur du Bénin. de ce que le Bénin aussi a une très belle équipe ils ont battu 3-1 euh, si je ne m'abuse. Mhm. Et donc il faut se préparer à ça. Nous avons peut-être, peut-être notre génération dorée, euh, parce que les équipes U23, les équipes Espoir, ça nous rappelle l'équipe U23 du Nigeria, mhm. qui allait faire ses exploits, des exploits vraiment à Atlanta, aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas Ou en Kokanou, Djedi Okocha, euh, Et ça nous rappelle aussi l'équipe du Cameroun qui est aussi allée faire euh, euh, des exploits aussi aux Jeux Olympiques avec Mboma, avec Eto, voilà. voilà. Et donc peut-être que nous avons notre génération dorée, mais tout laisse à croire que malheureusement nous n'avons pas une large assiette comme ces, ces équipes-là l'avaient à l'époque. parce parce qu'au match aller, nous n'avons pas gagné tout simplement parce qu'il y avait deux, trois joueurs clés qui étaient euh, qui n'étaient pas qui étaient malades, mm. n'est-ce pas, qui étaient blessés et qui n'ont pas pu, jouer ce match-là. Et donc d'ici mars, je crois qu'il y a lieu, qu'il y a possibilité d'aller chercher d'autres joueurs pour compléter mm. vraiment euh, avoir une marge de manœuvre avec nos propres joueurs. Je pense que les Nigériens, nous en faisons des enfants capables de faire ça. Mm-hmm. N'est-ce pas euh, la fédération semble être consciente euh, de cet aspect, parce que quoi qu'on dise, la pérennité, euh, le fait de durer à la tête de la fédération et tout passe par ces résultats. Quand il n'y a pas de résultats en sport, quel que soit ce que vous avez fait, mm. ça sert à rien du tout. Et ça, y a, la fédération a, déjà sous les aisselles le fait de s'être qualifié, d'avoir qualifié l'équipe à, prime au Chan en Algérie. Et il y a ça aussi qui se profile si jamais on se qualifie pour aller en Algérie, puis on gagne pour euh, se qualifier, parce que les trois premiers se qualifient aux Jeux olympiques à Paris. Mhm. Et donc si on a ça, je crois que c'est quelque chose que n'importe qui, quel, n'importe quel sportif vraiment de bonne foi peut apprécier comme étant un résultat euh, positif. Il y a moyen de le faire. je constate que l'État du Niger accompagne tant bien que mal, même si j'ai entendu parler d'arriérés de primes euh, de, de, match. Mhm. Bon, ce pas des choses qui doivent arriver aujourd'hui. Le football, c'est vraiment... Ce n'est plus un jeu. Et c'est des espèces vraiment trébuchantes qu'il faut mettre à la disposition des jeunes pour aller chercher ces résultats quand le Mali est capable de donner une maison à tous ces jeunes qui se qualifient à une Coupe du Monde ou machin, le Niger a les moyens de faire. J'ai du plaisir à me comparer au Mali et au Burkina parce que nous partageons carrément les mêmes réalités. Ce qui se fait dans ce pays doit pouvoir, parce qu'on doit voir grand. Et on ne peut pas être grand, vouloir aller en conne tant qu'on ne met pas les moyens qu'il faut. J'espère que euh, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Vraiment, nos autorités doivent accompagner et après demander les comptes s'il le faut. Mhm. Voilà ce que je pense et vraiment toutes nos félicitations aux jeunes. Mhm. C'est une très très bonne chose. Euh, même ceux qui, sont, qui ont tendance à se décourager, ça donne du bon euh, au cœur. Mhm. ce que tu n'as pas pu faire, les jeunes, quand ils le font, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Abouki Arimi, Ousmane Sidoukou. On l'a entendu, il y a donc un travail de longue haleine qui est attendu pour pouvoir respirer cette euh, qualification à la Cannes U23. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, euh, il y a de l'espoir euh, Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, le 18e homme que constitue le public nigérien ne demande que ça. Mm. Malgré les revers qu'il a eu à assurer, je vous assure que ils n'ont jamais cessé de faire chorus derrière leur équipe nationale pratiquement à tous les niveaux. Mm. L'espoir est cette permis, mais ce gros mais c'est vraiment euh, c'est de rendre compte. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ou bien rester ou bien être dans cette posture assez défaitiste qu'à chaque élimination, même si étant près du but, euh, on ne, ça ne je ne dirais pas que ça gêne, mais ça ne marque pas, ça ne marque personne, on n'interpelle personne, mmh. alors que c'est des moyens minimes ou bien insuffisants soit ils qui ont été mis à la disposition. Même si le résultat final n'a pas pu être atteint, moi je pense qu'il est du devoir de ceux à qui les moyens ont été donnés de rendre compte. C'est ce à quoi nous n'avons jamais assisté. Je vous assure, Sinon, le public nigérien n'a jamais cessé, je le répète, de faire mhm. courir derrière les différentes équipes nationales. Mhm. Mais là où le bas blesse, et ce qui est désolant, Michel, c'est non seulement euh, ce, maintien qui n'a que trop duré, mais de ne pas... C'est-à-dire c'est une sorte de d'omerta qui mhm. entoure vraiment pratiquement euh, toutes les échéances euh, en termes de qualification de nos équipes nationales à tous les niveaux. C'est ça que moi je ne comprends pas et occasion pour moi franchement d'interpeller les sportifs, les dirigeants que sont les Arimi. Mm. Aujourd'hui ailleurs, quand on vous donne les moyens, minimes soient-ils, vous avez ce devoir de venir rendre compte, dire voilà ce qui a été. Mais on ne peut pas continuer à laisser les gens se faire, à laisser notre football, être entouré. Vous qu'il y a un problème de gouvernance Il y a un sérieux problème, Michel. Mm-hmm. Il y a un sérieux problème. On ne peut pas aujourd'hui, euh, même si on n'a pas atteint euh, là où on voulait tendre, mais quand même, est-ce que vous euh, avez-vous souvenance que cette équipe dirigeante est sortie venir dire euh, à l'issue, euh, quel qu'en soit l'issue, de, dire bon, rendre compte, voilà, voilà ce Non! Il aurait fallu que euh, les gens commencent à tirer la sonnette d'alarme, à tirer par-ci, par-là. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà des moyens qui ont été mis à votre disposition. Le but final n'a pas été atteint, mais sortez pour dire, expliquer aux gens. Hmm. Mais que de laisser cette omerta entourer notre football que nous aimons tant, que nous chérissons tant, moi je pense que euh, bas la terre, puisque nous sommes dans le domaine du sport, mhm. il faut que les gens apprennent à rendre compte. Les jeunes ne demandent que vraiment à être mhm. suivis, encouragés. Moi je suis d'accord avec Arimi, moi je pense qu'il euh, est on a même tardé à avoir notre génération dorée. Et c'est ainsi eh, qu'on a raté tellement de générations dorées. Avec cette euh, catégorie U23, moi je pense que l'espoir plus que permis, moi je pense qu'on doit tendre vers la matérialisation de ce rêve, ce rêve tant voulu et souhaité par tout un peuple. Donc il ne faudrait pas qu'un groupe... Euh, la à participation à cette canne. en juin 2023 au Même si ça n'a pas été le cas, il faut que vraiment l'instance dirigeante mhm. sorte et dise de vivre, voilà ce qu'il en était. Mhm. Mais on ne peut pas vouloir à dessein prendre en otage le football, mhm. l'espoir, le rêve euh, Merci. Elhaj Mohamedou Suleiman, quelles sont les attentes euh, à tous les niveaux pour y arriver cette qualification au niveau du troisième tour et c'est le dernier, il faut le dire. Ça sera donc un match euh, face euh, au Soudan et également pour qu'on puisse avoir une très bonne participation à cette Cana U23 qui aura lieu en juin au Maroc. Les attentes, c'est. Je reprends l'expression. Arémi tout à l'heure dit que le mhm. football, ce n'est pas un jeu. Euh, en fait, quelqu'un a dit c'est un jeu avec beaucoup d'argent. <laughs> Euh, en, vérité, euh, lorsque nous apprenons, franchement, c'est vrai, la question de gouvernance, nous apprenons non seulement il y a des retards, de, des arrêts des, primes de, de mhm. joueurs, que ce soit au niveau du de U23, mais aussi, par exemple, le, formateur français, euh, Cavalli, il, a, mhm. il est dans son 14e mois d'arrivée. Moi, quand je vois la volonté politique, euh, le président de la République est sorti par deux fois mhm. au niveau de, je crois, on a appelé match de gala la dernière fois au niveau. Il, il vient au stade. Euh, on voit qu'il soutient le sport en on général. On voit clairement qu'il y a une volonté politique mhm. pour accompagner le sport si on apprend véritablement que les, parce que quand les joueurs ont des, des primes, cela veut dire que, et même j'ai appris même les maillots mhm. qu'on donne aux nos sportifs. Euh, franchement, euh, quand vous apprenez, les, enfants vous disent ce, qui se passe, c'est vraiment dégueulasse. Mhm. Donc, il est question de savoir comment on est arrivé à avoir ces arrêts de, de, de, de primes. Est-ce que l'État, est-ce que les moyens vraiment ont été, euh, comme il dit, en termes de redevabilité en tout cas, mhm. rendre compte Parce que si c'est le ministère qui, gère cela, soit le ministère euh, a, a les moyens, a eu les moyens, il ne l'a pas utilisé, ou bien il n'a pas eu les moyens à ce moment-là, effectivement, il doit rendre compte euh, de ce qui se passe. Parce que je ne peux pas comprendre en tant que profond du, football mm-hmm. que, comme on dit, qu'un entraîneur qui est venu, un, un, en tout cas, qui est venu, sur, un en tout cas, qui a 14 mois d'arrivée, je ne sais pas si ça se passe ailleurs. on va accélérer. oui, euh, sans couper, brièvement, on n'est pas à notre coup d'essai. Déjà, on a connu un autre entraîneur qui a mm. connu des arriérés et le Niger a dû payer dans les 210 millions, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire. Euh, l'ancien entraîneur du Nigeria, euh, Gernot euh, Rohr, le problème s'est posé avec lui aussi. Donc avec celui-là aussi, ça se pose. En fait, autrement dit, oui, il y a une bonne volonté politique, le, comportement du président de la République, ça ne trompe pas, mais il ne faut pas aussi vouloir aller très vite en besogne. J'ai vu qu'on lui fait faire beaucoup prendre beaucoup d'engagements, beaucoup de précipitations. Non, il y a un ministère de sport, quelque chose de bien élaboré et d'aller. Parce que j'ai vu, on veut le faire prendre en charge une académie de la fédération. Ça n'a pas de sens. Le Niger, la fédération n'a pas besoin d'académie. Merci parce on, vous a compris, on vous a Il va juste terminer pour qu'on puisse euh, terminer ce forum. Mais je pense que la eh ben, ça, c'est au niveau de la gouvernance. Elle doit être, permanente. Mais les attentes peut-être. Il, faut, euh, payer les primes à terme. Je pense ça. Il faut aller méthodiquement. Il faut que le moral pour en tout cas affronter les On n'invente pas la mm. roue. Je pense que c'est important de payer les primes. Ça veut dire qu'il faut euh, améliorer les conditions absolument de, joueurs, de, joueurs, de, travail des l'entraîneur, La redévabilité permet de situer les responsabilités. optimiste, c'est ça, pour cette euh, qualification ben, Reste à savoir, en fait, est-ce que, les hautes autorités vraiment sont informées de cet état de fait Est-ce que vraiment c'est ça l'information est passée C'est mhm. aussi cela la question. Le Soudan, on a déjà joué en quart de finale du Chan contre eux, chez eux. Au tir au but, ils nous ont éliminés. Après, récemment, on a fait deux matchs amicaux, dont un nul, je crois, et ils nous ont battus sur un des matchs. C'est eux qui ont, il ne faut pas oublier, éliminé euh, l'AS Fan quand on était en l'AS Fan avait fait un très bon parcours. Mm-hmm. Et donc c'est un pays qu'on connaît, c'est une des grandes équipes parce qu'ils mettent beaucoup, ils prennent très au sérieux et ils mettent beaucoup de moyens pour faire le football. Mm-hmm. Les premiers responsables Actuellement, je ne sais pas parce que c'est un pays un peu instable en ce moment, mais les premiers responsables étaient carrément impliqués dans la gestion de leur équipe euh, de, euh, euh, comment on appelle, de, en compétition. Mhm. Et donc, il faut en tenir compte parce qu'on a jusqu'à mars. Là, on a tout le temps, à mon avis. Mhm. et pour faire jouer, régler, les, petits régler les petits détails. Faire l'encadrement technique que nous avons mhm. aujourd'hui qui sont constitués des joueurs, de, techniciens locaux. Vraiment, ils ont les moyens. Merci, à Agimi, journaliste et sportif, il faut le rappeler. Merci également aux autres confrères. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 4 novembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de LHG Mohamedou Suleiman. Il est journaliste au journal Niger Inter. Abakiari Arimi, journaliste à la radio alternative. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Au micro pour la modération de ce forum de la presse, je suis Michel DJ, L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et Séné Isaka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon week-end. Au revoir.